nous sommes réunis aujourd'hui ici pour décrire une situation anormale que vivent les marchands tabliers du département de Rivis. Les tabliers du marché central de Rivis sont établis ici depuis plus des années. Si ici ils gagnent leur vie honnêtement, les autorités leur empêchent de mener leurs activités depuis plus de 34 jours. Ils ont occupé toutes ces années en payant des taxes convenablement. Les taxes journalières, on paye 100 francs par jour. Et aujourd'hui, il y a 1000 tabliers qui sont à Mille 1000 fois 100, ça te fait 100 000 francs le jour. Donc le mois, c'est 3 millions. Et chaque événement de tabasque et Corité, les tabliers payent 5 francs. Chaque événement. Cette situation est contraire à la politique de l'emploi du gouvernement. Si nous comprenons bien, nous demandons au maire de rétablir cette situation anormale que vivent les tabliers. Et ce qui nous fait mal, où les commerces, les marchands tabliers vendaient, gagnaient leur vie dignement, honnêtement. Aujourd'hui, ce sont installés là-bas des garages calando et des, des saletés et des tasseuses d'ordures. Nous demandons au gouvernement d'intervenir une, pour une issue heureuse. Nous interpellons le président de la République et le ministre du Commerce et le préfet qui représente l'autorité ici. Nous voulons rétablir les tabliers le plus rapidement possible parce que nous ne voulons pas faire de dégâts. Si cette chose ne se règle pas, nous allons passer à d'autres actes. nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes en Afrique du Sud, ndax boo ñëwee ci sa tëngeej gi dee gi moo gën ci sa biir mbokk lañ lay toroxale ci lañ lay tottire ci lañ lay maase courant ci lañ lay defee la neex jël say bagage mu doon ay saaku ñu lakk ko jël sa euh, jigéen ji yor palaat ci boppam ñu nungu ko ci boppam lakk ko ñu wëlbati ko waat taxaw di di di wut lu ñu lu ñu suturloo may ñu ñu jàmm salaam waxe noppi ñuñ ma sans ambulant ba ñu jullee ba tey kenn jóobul sa kër fanweeri dërëm te ñu amuñu salaire fanweeri dërëm ci suñu kër autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñu ñëw def taxaw seetlu laaj maire yi ci Tëngéej laaj en marchand euh, marchand ambulant yi li ñuy dund ci Tëngéej ñun la ñuy dund ci Tëngéej kenn du ko dund.